Nous sommes vendredi 30 août 2024. Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans le dernier rendez-vous euh, de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Ali Moukela Housseni alias Seno et à mes côtés ce matin, Mariam Adé pour la présentation. Mariam, bonjour. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, Dieu merci. Alors, à la technique, nous avons Seini Isaka et à l'édition, c'est tout simplement Moussa San qui assure. Alors, Asieno, quel est le programme d'aujourd'hui comme d'habitude, Mariam, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un programme bien diversifié. D'abord, nous débuterons en information avec le flash, avec le flash S'en suivra ensuite la revue de la presse qui est présentée chaque vendredi. Et pendant toute la durée de cette émission, nous allons savourer de la bonne musique 100% nigérienne. Évidemment, nous aurons également la rubrique hebdomadaire de cette édition de la culture linguistique et pour euh, le reportage en région, nous, irons à Dosso. Nous recevons comme invité ce matin Seydou Soumaï Abdourahman. Il est spécialiste en prévention et gestion des conflits en problématique de la transhumance au Niger. Avec lui, nous parlerons de la problématique de la transhumance au Niger. Sans trop tarder, nous accueillons Nefissa Adamou Sirfo pour le flash d'information. Bonjour Nefissa. Bonjour à vous, c'est et Mariam. Bonjour à tous. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le comité ad hoc chargé de l'étude sur la journée continue dans les établissements scolaires a remis hier jeudi 28 août son rapport à la ministre de l'Éducation nationale. Selon la ministre de l'Éducation, ces trois mois de recherche, d'enquête et de consultation avec les différents acteurs de l'éducation euh, contribueront à mieux cerner les avantages et potentiels défis d'une éventuelle reconfiguration de l'organisation scolaire. Et elle souhaite également que les conclusions de cette étude empirique servent de base scientifique à l'adoption de mesures qui contribueront à l'amélioration de la qualité des enseignements à travers l'utilisation optimale et efficace du temps scolaire. La direction de la police judiciaire de Niamey a démantelé cette semaine trois bandes de malfaiteurs responsables de plusieurs vols en réunion de la capitale. La première bande spécialisée dans les vols à l'arraché sur moto a été intercepté avec une importante quantité de téléphones volés. La deuxième bande opérant dans les habitations et les commerces a été appréhendée en possession de divers produits volés. Quant à la troisième bande, connue pour ses agressions à l'arme blanche, elle a été arrêtée après plusieurs plaintes de victimes dans les quartiers de Niamey et ses arrestations illustrent la détermination des forces de l'ordre à assurer la sécurité des citoyens. Enfin, du sport pour son entrée en lice en huitième de finale des Jeux paralympiques de Paris 2024 hier jeudi sur le tatami du Grand Palais de Paris. L'unique athlète taekwondoiste nigérien Jabiruide Omoro a été éliminé par l'Espagnol Joël Martin sous le score de 13 à 30 dans la catégorie des moins de 58 kilos. C'est la fin de ce flash d'informations. Bonne suite à vous. Merci. Merci Nafisa pour toutes ces informations. Comme annoncé tantôt, nous recevons comme invité ce matin Seydou Soumaï Abdourahman. Il est spécialiste en prévention et gestion de conflits en problématique de la transhumance au Niger. Bonjour. Bonjour l'équipe de Studio Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Avant de continuer, ou disons avant de vous donner la parole, euh, euh, nous allons d'abord permettre à nos auditeurs de savourer la première musique euh, de notre playlist d'aujourd'hui, une façon de leur permettre de bien s'installer dans cette émission. Et c'est parti avec le titre Keyesi du feu Hamsatu Dante Di Nyazongo. chers auditeurs, qui signifie bonne fête en langue zarma et le titre de cette belle chanson que vous êtes en train d'écouter. c'est titre à travers lequel la défunte Hamsout Dante Digna Zongo souhaite bonne fête chaque année à la communauté musulmane lors des fêtes de Tabaski et de Ramadan. Personne Sonam voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le titre Keyesi. Retour au studio après cette belle sonorité musicale pour retrouver notre invité du jour. Alors, euh, Monsieur Seydou, pour commencer, euh, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est la transhumance et pourquoi elle est importante pour les communautés au Niger merci beaucoup, Donc, il faut retenir à l'enclair que la transhumance, est un déplacement des éleveurs avec leurs troupeaux d'une zone à une autre à la recherche du fourrage. Alors, la transhumance est importante parce qu'elle permet de, de, aux passeurs de, de mieux valoriser ses ressources animales et également, elle permet aux passeurs de, de, s'identifier parmi, les autres, parmi les autres bergers. En fait, la transhumance, c'est un mode de vie pastoral que, que, les pasteurs exercent il y a de plusieurs siècles. Voilà, elle est importante parce qu'elle permet à l'éleveur de partir, de quitter une zone qui n'a pas de fourrage pour une autre zone. Alors, euh, M. dites-nous quels sont les principaux défis liés à la transhumance au Niger aujourd'hui Voilà, merci beaucoup. Euh, disons que la transhumance aujourd'hui fait face à des défis multiples. Dont, euh, parmi ces défis, nous avons trois défis fondamentaux. On a, les défis liés au changement climatique, on a les, défis liés à la pression démographique et surtout les défis majeurs aujourd'hui, c'est l'insécurité qui se vit au Sahel. Mm. Alors, euh, dites-nous euh, comment euh, ces défis ont-ils évolué au fil du temps ces défis, il faut les noter qu'aujourd'hui, les effets du changement climatique se font sentir un peu partout. La dégradation des tapis végétales. Et au niveau de la pression foncière également, on a l'annexion des aires des aires de par les agriculteurs. On a également la colonisation des couloirs de passage des transiments par, par les agriculteurs les défis liés à l'insécurité, en fait, là, c'est un problème complexe parce qu'aujourd'hui, les pasteurs n'arrivent plus à aller dans des zones où ils partaient. Avant, les, pasteurs du Niger quittaient, certains quittaient Dosso pour Gao. Aujourd'hui, compte tenu de l'insécurité, ils, ne peuvent plus aller. Un deuxièmement, il y, a, également un problème lié à la transition, surtout aux côtés du, Bénin, parce que depuis 2018, le Bénin a carrément interdit la transhumance, ce qui empêche nos pasteurs nigériens d'aller sur le territoire béninois. Quand ils partent là-bas, il y a des tracasseries administratives et financières. Alors, quelles sont les mesures euh, politiques ou réglementaires actuellement mises en place pour gérer la transhumance Il y a plusieurs mesures. Par exemple, nous avons la convention zender nous avons la convention Maradi-Katsina et également il y a une convention tripartite en cours entre la région de Dosso et la région de, la région de et le, également la, région de Dosso et l'État de, de Katsina. Bon, il faut noter également qu'il y a des comités nationaux de transhumance au niveau national, au niveau régional et au niveau départemental. Ce sont des comités qui se battent jour et nuit pour une transhumance apaisée, surtout la transhumance transfrontalière. Hmm. Alors, euh, dites-nous, euh, euh, euh, c'était tout à l'heure la question que je vous ai posée. <laughs> J'ai failli revenir là-dessus. Alors, quelles sont les mesures politiques Bien évidemment, c'est la question que Mm, comment on appelle ça, Mariam a posé tout à l'heure. Alors dites-nous, estimez-vous que ces mesures sont suffisantes ces mesures sont suffisantes d'un côté, et mais disons que ces mesures aussi ont leurs limites. Ces mesures ont leurs limites dans la mesure où souvent ces mesures sont prises à l'absence de, des pasteurs, les les acteurs les plus concernés. Si les mesures étaient prises à la présence des passeurs ou des rougas, ces mesures seraient efficaces. Et surtout, aujourd'hui, les textes qui réglementent la transhumance ne sont pas traduits en langue peul ou en langue tamashek ou en langue kanouri. C'est les acteurs qui sont concernés. Mm. Souvent, vous allez rencontrer un pasteur, vous allez lui demander est-ce que vous êtes au courant du, début du calendrier de transhumance ou bien du retour des animaux Il va vous dire qu'il ignore totalement. Voilà, voilà les limites euh, des mesures politiques. Et d'un côté aussi, souvent, les, mesures politiques, ils interviennent sur le terrain souvent pour défendre les passeurs transhumants sans pour autant euh, informer ces passeurs-là. Donc, ils sont défendus d'une manière ou d'une autre, mais il y a des limites. Et face à cette situation, euh, quelles sont les, les, solutions envisageables pour que les concernés puissent avoir une idée des contenus de de ces mesures là, je pense que c'est euh, la, première stratégie qu'il faut mettre en place. Il faut vulgariser les textes qui réglementent la transhumance à langue euh, des, aux acteurs concernés. Donc, les, textes, il faut, il faut impliquer les garçons, c'est-à-dire les garçons, les rougues qui sont les leaders pastoraux, dans la, dans la, dans la mise en place des dispositifs qui réglementent la transhumance. Et deuxièmement, il faut négocier entre le Niger et le Bénin parce que avant tout ce sont des, ce sont des, frères. un pasteur de la région de Dosso, des Maradi, qui quitte pour aller à Marambel à Karimamou, à Kandi et qui se voit refoulé ou bien souvent qui se voit eh, amendé par, eh, avec une somme colossale. Si on arrive à négocier les, pays frères, eh, les pasteurs vont avoir un ouf de soulagement dans leur euh, alors, à M. Abdraman, e avant de continuer l'échange, on passe à la revue de la presse avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam, bonjour Seno. Bonjour. Alors, pour cette semaine, oui, bien évidemment, Rafika, visite de travail du chef d'état-major nigérien, un nouveau souffle pour euh, la coopération sécuritaire entre le Niger et le Nigeria, euh, affirme Actu de Jeunes, parution du 29 euh, août 2024. Effectivement, c'est nous, le général Christopher Moussa, chef d'état-major des armées du Nigeria, a effectué mercredi 28 août 2024 une visite de travail significative au Niger visant à insuffler un nouveau souffle à la coopération sécuritaire entre les deux pays. Au cours de cette rencontre, les deux nations ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération sécuritaire, convenant de reprendre les opérations militaires conjointes, d'intensifier la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres et de créer un groupe consultatif pour maintenir un dialogue permanent entre leurs armées. Cette réactivation des relations marque une étape déterminante pour consolider la stabilité régionale malgré les tensions passées. Le général Christopher Moussa, chef d'état-major des armées du Nigeria, foule le sol nigérien près d'une année après que la CDAO, dans les jours suivants le coup d'État du 26 juillet 2023, ayant renversé le président Mohamed Bazoum, a décidé de préparer une intervention militaire au Niger avec le Nigeria comme principal contributeur en termes de troupes. Cependant, malgré cette situation tendue, l'arrivée du général Moussa à Niamey symbolise une volonté claire et réchauffée des relations entre les deux nations en particulier dans le domaine sécuritaire. En dépit des divergences qui ont pu exister entre nos deux États, le contexte géopolitique, sécuritaire mondial et sous-régional de nos jours nous impose encore plus un raffermissement de nos rapports sur tous les plans, a déclaré le général Salah Barmou. Le Niger et le Nigeria demeurent deux États voisins et frères avec une frontière commune longue d'environ 1500 km et des populations qui partagent les mêmes réalités et les mêmes défis, a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de mutualiser les efforts pour combattre les troupes terroristes opérant des deux côtés de la frontière. Voilà, c'était plutôt euh, Actu Niger, parce que j'ai dit Actu de jeunes. <laughs> voilà, Mariam. Rafika, le Niger crée un fichier pour les acteurs du terrorisme Aïr Info du 28 août 2024. Oui, Mariam, au Niger, désormais, toute personne ou entité impliquée dans les actes terroristes sera inscrite dans un fichier national. Cette mesure, signée le 27 août 2024 par le chef de l'État, impose des sanctions sévères. Selon l'ordonnance instituant ce fichier, toute personne ou entité inscrite verra ses avoirs financiers gelés, sera interdite de déplacement tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger et subira des restrictions dans ses transactions commerciales. L'ordonnance signée par le général Abdramantiani prévoit l'inscription pour divers actes, notamment la commission, la planification, le soutien ou la facilitation d'actes terroristes, l'appartenance à une entité terroriste ou toute menace pour la stabilité nationale. Elle inclut également le port d'armes contre l'État, l'intelligence avec une puissance étrangère en vue d'engager des hostilités contre l'État en lui fournissant les moyens, en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, en ébranlant la fidélité des armes ou de toute autre manière, pourrait également entraîner l'inscription dans ce fichier la livraison à une puissance étrangère ou à ses agents sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit d'un renseignement, d'un objet, d'un document ou d'un procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale, ainsi que la diffusion de données ou de propos de nature à troubler l'ordre public. Selon toujours l'ordonnance, l'inscription dans ce fichier peut intervenir dès l'ouverture d'une enquête ou d'une poursuite judiciaire après une condamnation ou sur demande des services de renseignement. L'ordonnance prévoit également la déchéance provisoire de la nationalité nigérienne pour les individus poursuivis pour ces infractions. Cette déchéance peut devenir définitive si la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans. Enfin, un comité national du fichier est institué pour statuer sur les demandes d'inscription ou de retrait ainsi que sur les contestations administratives, précise la même ordonnance. Le Niger lève euh, la suspension de l'octroi des droits miniers à Info le 27 août 2024. C'était dans une note de service où le ministre des Mines, commissaire colonel Abarche Ousmane, a annoncé le 27 août la levée de la suspension de l'octroi des droits miniers en vigueur depuis le 22 janvier 2024. Les demandeurs des droits miniers sont désormais tenus de mettre à jour leur dossier conformément à l'ordonnance du 8 août 2024 modifiant la loi minière de 2022. La suspension de l'octroi des droits miniers décidée en janvier 2024 n'avait pas été justifiée publiquement par les autorités. Toutefois, la note de service publiée à l'époque par le ministère des Mines exigeait un état des lieux des droits déjà accordé. La levée de cette mesure intervient dans un contexte où deux permis miniers majeurs ont été révoqués, effectuant des entreprises internationales. En effet, en juin, le permis d'exploitation de la mine d'uranium d'Imouraren, détenue par l'industrie française Orano, a été retiré, suivi en juillet par la révocation de celui de la société canadienne Goviex pour le site de Madawela. Désormais, les demandeurs de droits miniers doivent se conformer aux nouvelles disposition de l'ordonnance du 8 août 2024. Celle-ci introduit des mesures renforçant la souveraineté nationale sur les ressources naturelles, notamment la révision à la hausse des droits taxes et redevances, la promotion des opérations nationaux en réservant certaines activités minières aux Nigériens et l'application des principes préleveurs, payeurs et pollueurs, payeurs pour une meilleure gestion environnementale, en particulier pour la protection des nappes fossiles. Et voilà pour la revue de cette semaine. Merci, infiniment. à la semaine prochaine. Excellente journée à vous. Merci. Alors, euh, on revient avec euh, notre invité du jour. Euh, et nous allons continuer bien évidemment avec les différentes questions. Alors dites-nous comment les autorités locales et les communautés participent-elles à la gestion des conflits liés à la transhumance les autorités locales, il faut les noter, participent à la gestion des conflits à travers d'abord des, médiations. Euh, si la médiation ne passe pas, ils vont renvoyer les, antagonistes au niveau des, des tribunaux euh, compétents. Concernant les acteurs également, nous avons l'implication des, chefs traditionnels, les, leaders, les leaders pastoraux, les garçons et les rouges. Ils vont se réunir d'abord pour une conciliation. Si la, conciliation ne marche pas, qu'ils vont renvoyer les deux parties pour éviter également eh, un conflit violent, eh, qu'ils envoient les deux parties au niveau des autorités compétentes pour qu'elles puissent régler leurs indifférents. Alors aujourd'hui, on aimerait savoir à quel impact le changement climatique a-t-il sur les pratiques des transhumance et sur la disponibilité des ressources naturelles comme l'eau et le pâture. Comme annoncé tantôt, le changement climatique est l'un des facteurs qui aggrave ou bien disons qui dégrade les tapis végétales. Et ça, le changement climatique est venu fragiliser les, les pasteurs, donc qui tous ceux qui fragile le, pasteur fragile également la pratique pastorale qui est la transhumance. Et avant, il faut le noter, il y avait la disponibilité fourragère ici, surtout dans, nos, différents bas dans nos différents terroirs. Mais aujourd'hui, vous allez voir, et juste après la récolte, trois mois après, il n'y a, pas, a pas les fourrages. Donc les pasteurs seront contraints d'effectuer ce qu'on appelle le, le, départ précoce des animaux vers les autres pays. Et souvent, c'est pas dès qu'ils quittent, euh, au retour, ils rencontrent différentes, euh, différentes difficultés parce que en allant, n'y a pas eu de semis. Maintenant, au retour, tous les couloirs de passage sont, tous les couloirs, couloirs de passage sont occupés par des champs agricoles et ce qui dégénère surtout des conflits violents. L'an passé, euh, je vous notifie que il y a un département du Niger, cela a 16 conflits entre agriculteurs et Le Verdon, et euh, plus, de, plus de 4 morts. Et à l'heure actuelle, je vous parle sur les, sous les mêmes effets du changement climatique qui dégradent les tapis végétaux. Les pasteurs du nord et euh, Niger, surtout vers Ingle, ont envahi la vallée de Tarka. La vallée n'arrive plus à contenir les troupeaux et il y a une aire pastorale qui s'appelle à eh, eh, ah, Agaya, on a constaté plus de 4000 pasteurs nigériens qui sont venus. Et ils ont trouvé des pasteurs nigériens. Maintenant, c'est un conflit entre pasteurs et pasteurs. Parce que les autres disent que ah, ils sont venus, ils vont envahir, ils vont dégrader leur tapis végétal et, pour répartir. Les mêmes effets de changement climatique, euh, euh, je vous notifie que la semaine dernière, j'étais à Tanda, il y a une aire pastorale qui s'appelle l'île des oiseaux qui est partagée entre le Niger et le Bénin. Cette aire pastorale est carrément inondée. Il y a des troupeaux qu'on a évacués via des pirogues. Il y a des troupeaux qui étaient contraints de sortir de l'autre côté pour, aller vers Karimama. Donc vraiment, le changement climatique les effets du changement climatique se font sentir dans les pratiques de la transhumance. Alors, euh, pouvez-vous nous parler de, quelques initiatives réussies euh, ou des stratégies efficaces qui ont été mises en œuvre pour euh, gérer la transhumance et prévenir également les conflits au Niger pour la prévention des conflits de il, y a, y a plusieurs textes qui ont été élaborés. Malheureusement, il faut, les, notifier. Compte tenu de la pression foncière, la terre n'est pas tendre et puis il faut le reconnaître. Aujourd'hui, la demande en exploitation agricole augmente et un champ qui était partagé par des personnes euh, il y a 30 ans de cela, aujourd'hui est partagé par plus de 15 personnes. Et donc, ces, agriculteurs sont contraints souvent d'annexer les aires pastorales. Et une aire pastorale, c'est une aire réglementée qui est réunie légalement uniquement pour les pasteurs. Fort malheureusement, ce qu'on constate, vous allez voir que au sein d'une aire pastorale, vous allez rencontrer surtout les, opérateurs économiques privés qui partent payer des champs pour faire des, des jardins ou bien d'autres activités euh, en irrigation. Et vous, en fait, on ne peut pas s'en prendre à eux tout de suite et maintenant. Et les pasteurs aussi sont, disons, c'est pas qu'ils sont impatients, mais ils voient que les seuls endroits où, euh, où, euh, les seuls endroits qui les, sont, qui les sont réservés sont obstrués, sont annexés par les agriculteurs. Et souvent, ça, ça crée des conflits. D'ailleurs, c'est le, facteur principal qui déclenche les conflits. Mm. Voilà, les stratégies qui sont mises en place euh, pour la transhumance apaisée, je vous ai parlé de la convention entre Zender et Jigawa, la convention entre Maradi et, Katsina. Ces, conventions ont vraiment permis une transhumance apaisée parce que avant ces conventions, les pasteurs nigériens pour aller au Nigeria, ils, ont toutes les, rencontrent toutes sortes de, difficultés. Également, les pasteurs nigériens, pour venir au niveau de, la vallée de Tarka, ils rencontrent toutes sortes de difficultés. Mais maintenant, comme c'est réglementé, les couloirs, il y a quelques couloirs de passage qui sont balisés, ils effectuent leur transverse. Malgré tout, ils rencontrent également des difficultés. Alors aujourd'hui, on sait que la transhumance dépasse souvent les frontières nationales. Quel rôle joue la coopération régionale dans la gestion de la transhumance la euh, il faut d'abord notifier les textes qui, réglementent la transhumance au sein de la CDAO. Euh, depuis que notre pays, disons que depuis nos trois pays euh, ont décidé de sortir de la CDAO jusqu'à preuve de contraire. L'AS n'a pas élaboré des textes réglementant la transhumance. Les textes qui réglementent la transhumance au niveau régional se trouvent au niveau de la CDAO. Malheureusement, on n'est plus de la CDAO. Mais quand cela ne tient, les acteurs qui sont concernés ont une connexion entre eux. Les pasteurs, les leaders pastoraux du Bénin et du, Niger, malgré tout, ils continuent à collaborer, ils continuent à échanger pour faciliter la transhumance. Et là, il faut noter également qu'il y a des organisations pastorales tels que Arène, Gagel, et le RBM également, qui militent euh, à chaque fois qu'ils cherchent des partenaires pour permettre aux passeurs euh, d'effectuer leur transhumance dans les conditions les plus apaisées. Hmm. Alors, quelles sont les stratégies de sensibilisation ou de formation mises en place pour les éleveurs et les agriculteurs afin de promouvoir une cohabitation pacifique Il y a des sensibilisations dans quelques départements. Hmm. Parce que à la, à la, descente des animaux, le retour des animaux en transhumance, souvent vous allez voir que certains leaders vont, vont se regrouper pour dire que pour prévenir les conflits, même pas les gérer, pour les prévenir maintenant, il faut, faire, il faut sensibiliser les pasteurs pour qu'ils puissent effectuer ce qu'on appelle le contrat de parcade, contrat de fumure. C'est-à-dire quoi Quand toi, tu es un pasteur et que tu, tu, tu, tu es directeur de la transhumance, on va te dire il faut aller dans les champs d'un agriculteur pour camper, pour fertiliser son sol. Alors, en fertilisant son sol, déjà, tu gagnes sa confiance. Donc, en gagnant sa confiance, même, même s'il y a des gars sans pêtre, vous allez créer les, les, conditions avec un dialogue sincère pour résoudre les problèmes. Voilà une des sensibilisations qui, ont été, qui, qui a été mise en place et qui, a, qui, a réussi. À part cette sensibilisation également, il y a des jeunes, il y a des jeunes un peu partout dans les régions qui continuent à sensibiliser, mais c'est difficile. C'est difficile parce que le pastoralisme aujourd'hui fait face à la, principale crise à laquelle le pastoralisme est, confronté, je l'ai dit, c'est l'insécurité. Je vous notifie que l'année passée, il y a un campement entier qui a été eh, bombardé euh, à la périphérie du parc de W et dont il y a un pasteur qui a perdu sur place, il m'a dit 70 têtes de vaches avec des frères. Et il s'est retrouvé seul, sans frères, sans animaux. Et également, à cela s'ajoutent les vols de bétail. C'est l'ère pastorale des, des dont j'ai parlé à Gaïa. Chaque jour que Dieu fait, si on ne vole pas une chèvre, on vole, on une vache. Et les voleurs, souvent, ils sont. En fait, il y a des germains, il y a des peuls, il y a, il y, a il y a toutes sortes de tenues. Donc, ils ne savent pas prise en otage entre les effets du changement climatique, la pression foncière et l'insécurité. Ils, ne savent même pas où aller. Alors, comment voyez-vous l'avenir de la transhumance au Niger L'avenir de la transhumance est odieuse. Et est odieux, pourquoi Parce que à l'heure actuelle, certes les textes ont été élaborés, mais l'application reste et demeure encore. Euh, l'application a toujours des limites. Parce que c'est comme je l'ai dit, ce sont des acteurs l'agriculture et l'élevage, c'est des activités qui sont inanimement euh, liées. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Et quand vous allez, quand vous constatez aujourd'hui, dans toutes les régions du Nigeria, ce qu'on appelle les SAF, les schémas d'aménagement foncier, les textes ne sont pas respectés. Les transhumants également sont impatients parce que les pasteurs, comme on a coutume de le dire, préfèrent aller risquer sa vie que de laisser que de croiser les bras et voir son septel euh, décimé sous les effets des changements climatiques. Donc, si aucune mesure n'est prise, moi je pense que dans quelques décennies, le Niger va opter à ce qu'on appelle la sédentarisation, comme l'a fait le Togo, les Ghana et les Bénin. Et la sédentarisation n'est pas une pratique pastorale qui permet à la production, qui permet une meilleure production animale. Parce que le nomade, il est habité à parcourir des kilomètres. Et aujourd'hui, tu est, limites dans un territoire, dans un terroir autant pour moi tu lui voilà une espèce qui était réservé. Moralement, il sera euh, euh, gêné. Et puis, la santé animale également ne sera pas garantie. Sa sécurité propre aussi ne sera pas garantie. Parce que du jour au lendemain, on peut le déguerpir à tout moment. Aujourd'hui, même au niveau de, à part l'ère pastorale du Niger que vous connaissez, où tu mets pied, on va te dire que c'est une parcelle de quelqu'un. La, la sédentarisation, la seule solution, moi, je pense que les aires pastorales qui existent déjà, c'est de créer les conditions pour euh, faire de la production fourragère. En faisant la production fourragère, ces aires pastorales seront riches en fourrage. Les pasteurs, au lieu d'effectuer des transhumances euh, précoces, vont rester pendant au moins 5 mois, 6 mois au Niger avant de tenter de pénétrer dans, un territoire étranger. Mm. Merci euh, infiniment pour toutes ces bonnes informations. Et j'avoue que cette euh, discussion a été vraiment fructueuse parce que nous avons appris beaucoup de choses concernant la, la transhumance. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup, c'est merci. Merci à l'équipe. Mhm. Merci. On prend juste une pause, on se prend juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, à présent, c'est l'heure de notre rubrique entrepreneuriale. Eh oui, le groupement des femmes Kandagomni de Birni est composé de 30 femmes euh, qui font des activités génératrices de revenus. C'est un groupement qui a été créé depuis des années, mais qui a été réorganisé il y a 4 ans. Et oui, cette euh, réorientation a permis euh, aux membres de bénéficier des séances de sensibilisation dans plusieurs domaines.

to group mu agonda tiriyan iga bai wala mo arna way bure me gudo no arna group mu singi aran gogo yadin wallahi group mu gonde tira hay irje gi tirta si zagi dai kan zam group mu wa agai akani kai ni fo hino irje ga aturandi tiri zenai dum balandi irje ga tirta te ase ko ni so dai nan kan irgo da irgo go kuma wa agonde tira to sun way bure kan go group mu ra ufugati kan bagoyen kan igoti wallahi ngai boray kango groupe mo wara ikul commerçant yan da yan yanga dambu nera barkay yanga kobte nera irkul ku peti commerce no irgite amma même ta ir groupe mo wora ir gumbo ir bonse irga zubite irga barbare irga sabo yanda iga dan carga garo semen semen imi yete no wora ya dai no irgo girwana murada da to zangani ne wai boray kan groupe mo wara commerçant yenno mm -hmm. aran bai gudu kungiya fo kanka goye bore no bon fere ngai wani commerce din ki gote wallahi gudu wa zan kayar boro inda ino go charbande wa tun ka yir gir zubai te ka ka te se control ka yir guna yi do no gir sambu gumbo ayi yi do no gai sambu pharmacy yando ayi do no koy tawa yi do no koy mara pharmacy yando bon fere woni dir ka yir mu ci ise mat matkan no kanno agogote da alhamdulillah ba so mo yir gaga to ne bai su wala sana akul kan nugote dungo du bon fere ingano haya ko de gina mhm. surtout hankan ga tiwai borai wani kyauyen mhm. da hantum yon do are mhm. aran gogu du wodin ga kisna to wallahi godi zammo din wani formation bun bono ayi ko da formation wotun irin ko ga formation dai ka ki ise boriyan wona kan kyawira boriyan man kyawira da yarin dai wani gogi char bon ai ferin da afo yan wona kayan ba kan man kyau ibon ai ferin da babu ai kayan kyau ifa fahimta non kufan gona kan waiburai igite ise zanga santar ne kan mm. gidan dangan di manti bakan bagoi kyauyan da hantumiyan mm. kan sai igane kurda di alfabetization mm. aran wani mai waiburai ibai gudu ga suna da duma wallahi e man duga suna da duma amma irin bo irin ragon da barkan dona gati zanjir sekretero agoyino ya alfabetization nan gogoro amma irin e man duga suna gina wani to zanga waibore kan go gulpuman wura bai nan fon go kan iga nuhurdan kyara burfon iga fai burfon iga te asusu aran wana matakin na agogoi da irwo wana zubi no irgite shaka bandare di bor da hankan ga hinara wata kul irga dan kadda to han foya han do hakku ima bogu da no bor kulse amma mta irgi wana ginayen dai barbar ga nera ga dan kyar gagarau nga mo da to ima bugu im no bor kulise to ne bai gurku ma foyin gona kan goibore kan na ka an gai wannan kan boki gote ngai ban siwa ne mhm. gurku ma gobo wanda kan bagoi kan igine zan hanka na ranga te zubidin mhm. igine to hunkuna goi no kan igite gurku wasi do foyin gona kan igite garin dan wake da mhm. igware barbare amma gurku ma maga kan ba da go ko exposition gano igite bigine kan kango kuma na ingano no te est ce que arango do hare wodun gona to wadin do ido irna gayi ido na gata amma ba so ir gonda anniya aiki wai baraisi mu kyarkan badan kyarkan bara gudu ir goyo kan dumo ir gite ba ina exposition wala haifo goro ir ma jar gwanda ir gonda wadin anniya insha Allah za ka sina ino yugo ba za ka sina no go girgan girmu wadi yante kwanda gwai wai karan gote mun arango aran go koy ginere go hankan bore gote boryan kolle e kolera boryan gor winde mayiga boryan gitalla irra wo sinde barkan go gor kan buku bor kul kan di groupe mon wara bora gonde ngi kamba ni do de ke cho kan bora gote Merci Hawa Ousmana pour cet entretien. Chers auditeurs, marquant une pause musicale avec une fierté nationale à l'artiste Kitari avec son titre Jamais touché. Kitari La gola, la gola, la gola, la gola Dans la rue, j'étais sorti marcher Embrouillé par les problèmes de la vie Je marchais sans même savoir où j'allais Et d'un coup, voilà une fille devant moi La go, elle m'a coupé sur le chemin Baby, est-ce que tu sais que t'es mignon Pardon, viens me passer ton numéro Parce que je t'aime quelques jours faire. Je l'ai trouvé chez ma maman Se roulant par terre M'accusant je l'ai jamais touché. Pas touché, je l'ai jamais touché. Pas touché, je l'ai jamais touché. Je l'ai jamais touché. Pas touché, je l'ai jamais touché. Pas touché, je l'ai jamais touché. Pas touché, je l'ai jamais touché. Maman, ce n'est pas mon bébé. Maman, voilà, ce n'est pas mon bébé. La go, elle tient seulement à me piéger, oh. Maman, maman. La go, elle m'a couru après. De refus en refus, elle a pleuré. Maintenant, elle veut se venger de moi, oh. Maman. Elle veut coûte que coûte, que je sois l'élu de sa vie. Et voilà l'artiste Mohamed Kitari Haruna Koulibaly, euh, connu sous le nom de Kitari est le fils de la diva Fatima Rico et ensemble bien déterminé à prendre la relève. Fier hein, de l'héritage de sa maman, Kitari s'efforce de construire sa carrière artistique. À 15 ans, il était choriste aux côtés de sa mère avant de s'engager à 18 ans dans une carrière solo. Le jeune chanteur, compositeur, interprète un impressionnant talent qui lui permet de passer d'un style musical à un autre. Il est également un excellent danseur, ce qui est un grand atout pour lui dans sa carrière musicale. À travers cette émission, nous lui souhaitons bonne chance. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien Jamais touché de l'artiste Kitari. À présent, euh, direction euh, d'Ogonduchi pour euh, l'écho des régions d'aujourd'hui. Et nous allons parler du concours rap qui a été organisé le 18 mai dans cette localité. Il s'agit pour les organisateurs de cet événement, les frères Barquet, de choisir parmi les jeunes rappeurs du département le meilleur talent qui vont représenter Douchi au grand concours à Serkinwaka. Notre reporter Hassan Abdou Arzika était de la partie. Voici son reportage. En prélude au festival Sarkin Waka, un concours de rap s'est tenu le 18 mai 2024 à Dogondouchi. En effet, ce concours organisé par les frères Omar Barki et Mokhtar Barki a vu la participation de huit groupes de rap et artistes. Cependant, les thèmes sur lesquels les artistes candidats ont fait leurs prestations sont la lutte contre la drogue, la violence contre la femme et la scolarisation de la jeune fille. Monsieur Omar Barke nous en dit un peu plus sur leur motivation d'organiser ce concours à Dogondouchi. Comme ici, on a vu que le rap est délaissé, donc on a jugé utile de chercher les petits rappeurs. Ils sont bons, mais ils n'ont pas d'appui au fait. Donc c'est ça qui nous a un peu motivés. On va essayer de les aider. Donc on les a approchés pour organiser un festival, lutte contre la drogue, la chicha aussi, la scolarisation de la jeune fille. On a fait la première phase. J'étais huit groupes. On a éliminé quatre. Il y aura euh, la finale. Inch'Allah, le premier va représenter Douchi pour le festival de MDM Crew, Serkinwaka. Cela dit, pour la bonne marche du concours, un jury composé de deux membres est mis en place pour départager les concurrents. Il y a évidemment des critères de sélection quand il s'agit d'un concours. Alors, quels sont ces critères Monsieur Maïdabo Issoufou a présidé le jury et il nous explique les contours du concours. Il faut noter que c'est la première édition et première phase encore parce qu'il y a la finale. et C'est des groupes à encourager, à soutenir ils peuvent apporter l'image de l'outil loin. Les différents critères, il y a les gestes, la prestation, donc les thèmes, le contenu, ça doit être cohérent. On, regarde le style. Un rappeur, donc ne va pas venir s'habiller bizarrement. les organisateurs soient à féliciter parce que en réalité, ils sont venus en soutien aux rappeurs locaux, comme on l'a dit. On souhaite que ça soit continuel. À l'issue de cette demi-finale, les quatre qualifiés sont James Boy, Sam Boy, Monsieur le Prince et le groupe HOH. Ces quatre concurrents s'affronteront en finale et un seul sera qualifié. James Boy et Sam Boy, respectivement premier et deuxième de ce concours, ne cachent pas leur surprise et se disent confiants et prêts pour la finale. James Boy, ni kan kaina abin mamaki ya bani tunda da yawa ba su sa tsammani ba har ni bani sa tsammani puisque da yawa ba su san ina waka ni gode ma Allah ya tunda abin ba a yi shi boye boye ba le kace an yi wani surkulle kai tsaye ne bisan aka yi kuma daga na aka ba da result kin ga dukkan alamu an yi adalci kenan duk wanda ya face duk dadin mu ne arewa dai ce muna dai Allah ba mai rabo sa'a ban yi tsammani bane ni kan kaina a ce an zo an yi konkur da gaba ɗaya jihar Duci na zo dezem kamar da aka zo aka ci min concours de rap din moi je pense que ban ma iya ba. mai furtan da na ga na yi bose na sa kaina babu dare babu gana ina sauraron 3 sai in shi abubuwa suna zo min yanda ban ma tsammani aka zo aka yi ina dibin ban ma zuwa cikin malaye cat premiere sai na ji ake raisu gana na ni kan kaina na san akwai yan kurakurai waɗanda na yi Binan in sai in shirya kurakuran da na ga na yi sai in gyara su Il est clair que la musique rap a envahi le Niger depuis plus de 20 ans. Cependant, il y a des talents cachés partout qu'il faut faire sortir à travers ces genres de concours. Alors, aux autorités en charge de la culture d'encourager les promoteurs des festivals et cela à tous les niveaux et dans toutes les localités du Niger. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, chers auditeurs, place euh, à notre page sport avec Salamatou Kadri. Bonjour Salamatou. Bonjour Seno, bonjour Marianne. Bonjour Salamatou. Alors, euh, Salamatou, les sélectionnaires de l'équipe nationale de foot du Niger présenter la liste des joueurs qui vont affronter le Soudan du Sud et le Ghana dans le cadre des éliminatoires à Cannes 2025. Effectivement, Mariam, c'était hier en conférence de presse que Badou Zaki a dévoilé cette, liste de 26 joueurs retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Cannes 2025. Ces matchs se joueront en septembre le 4 à Juda au Soudan du Sud et le 9 à Berkane au Maroc face au Black Star du Ghana. On l'écoute match, premier match, le 4 contre le Soudan, au Sud-Soudan à Djouba. Et le deuxième match, c'est le 9 au Maroc à Berkane contre le Ghana. Je ne vous cache pas, le moment où on a cette compétition, on se trouve dans une situation difficile. C'est quoi difficile Parce que c'est la fin de saison pour le championnat nigérien, c'est le début de saison pour quelques jours déjà dans leur club aussi, on n'a pas le temps de faire. Voilà un souci euh, avec le son, Salamatou. On va poursuivre à présent euh, avec l'athlète. Alors, avec l'athlétisme, autant pour moi, l'athlète para-taekwondoïste euh, nigérien a été éliminé hier aux Jeux paralympiques. Et oui, c'est nous. c'est dans le cadre de son entrée en jeu pour les huitièmes de finale des Jeux paralympiques de Paris 2024, hier jeudi 29 août sur les tatamis du Grand Palais de Paris 2024. L'unique athlète taekwondiste nigérien Jabiru Ide Umaru a été éliminé par l'Espagnol Joël Martin sur le score de 13 à 30 dans la catégorie K44 des mondes de 58 kilos. Je vous propose d'écouter la réaction de son entraîneur Abdurrahman Issa Kayaou au micro de notre notre envoyé spécial Adam Sariou. Ce qui n'a pas marché vraiment, moi, ce que je pense, euh, c'est la participation des compétitions qu'on n'a pas eu à participer. On a peu de compétitions à, participer. Il me faut du travail. Je devrais continuer à travailler, de m'améliorer pour l'avenir. J'ai eu la chance de participer, mais je n'ai pas eu euh, la, chance de décrocher une médaille pour le Niger. Vraiment, je suis désolé pour les, tous les Nigériens. Vraiment, je me suis donné à fond. J'ai rêvé avoir cette médaille, mais malheureusement, euh, c'est mon destin comme ça. Mais il, faut faudrait participer à des compétitions, représenter le Niger. Le de, dans toutes les compétitions. Vraiment, c'est ce qui nous manque au Niger. Mais je suis convaincu que si j'ai participé à des compétitions, vraiment, j'amènerai des, résultats. Voilà, c'est tout pour le sport d'aujourd'hui. Merci. Merci Salamatou. Alors sinon, on passe au portrait du jour. Ce matin, nous partons à la rencontre d'Assouman Ali, un ex-exodant qui a préféré fixer au pays en devenant conducteur de taxi moto chez lui à Gaïa. Fadel Alou s'est entretenu avec lui, souvent son parcours. usman ali dandi furta jino matkan dino dini furta jai kul da kurmi ko yangano kanise kalir mahangana usman ai ma na imsin tin ko kurmi ai gono ko arora ai go kabu kabu no porwani ni bayno halman ci business no ne yete da porwani goni se yadi aga bandi lalle ara ai gono gono di kan haraka din wancan kan gayo no ai di ai cele go koi koi danga bonara a ai du ai bon wani watukenshi nasu ka kangai wana kwarara a furo kabu kabu muradura kun kabu kabu ngono agate zamani kan kabu kabu diningo wa bisin sai kurmi ko yango ai cin kai dile yan sambo ka koy malamville ai wai kabu kabu nan kan gabo gono ka to sun kala ai ne bon nan bodai ya dinga alhamdulillah no ai gici ane kan kurum ko yawo sandai bumbo da no gara woidin sai bumbo da no a gona jin da furta ga kai yan ganda niya im ko kurum ya more mu kan aiki ni ka tebora se akwai yamo kani da kaci nan gundan wur kaina niga in kunnen kan gaba ni bondo ri foke zani koi zama ke kino ni kani mun ci Allah abu ne mun ci an kwara dole no ni gin ware irko mino akan ni ka ceci ni maye asuman hiji kuna a gandu wanda hinka no babuno kunkundai asuman a gona ginga almiyalo jere irkoi bonora C'était le reportage de Fadel Alou rendu au studio par Habib Garba. Alors, on poursuit euh, notre émission euh, cette fois-ci avec euh, le loti du jour. Alors, le loti de ce matin nous parle de l'envie. Qui un vilain défaut qui pourrit la vie de son notaire. En effet, à force d'envier quelqu'un dans son entourage, la personne se sent obligée de se surpasser pour apparaître supérieure à l'autre. Et souvent, cela conduit à des actes immoraux qui peuvent se tourner contre soi. Écoutons le conseil de l'équipe femme du studio Kalangu sur le sujet. loti loti loti Simba Murayang Hey, hey, Alia, gungum. Hey, ifa no gogtewo. Ifa tsai gungum. Sondare hina ne di bismot ciradi naga. Ai siba am di ir. To kalamate, ifo si. Ni kyorono. Ayya, ai bayan waga zakir na Kurana. irsin da kyar labari. Ah, aiwo kaman ta cewa ni mal mahaika te hanna sinu. Ifo na ta se. Hmm, ine kan ingino na hanna safar, a sai no hanna sin da ba ni mi. Mhm, mai no ke ni sai yadin. Ku ga borai no gode gidirgi ci yadin. To ki ai sai, ifo ma ga sai no rahina ga wadin ta se. Hmm, zam sai rahina wo no rukoni zunomi. A gwanda a rusu hanna yanda a rusu no rukoniya. To rahina bin da ingino ya sa sasi. A sai no akwai ga safar. To. Rahina mono ya talkai zunu, a gicen sirenu akwai gasafa. Irkoi beri na dira, ni bun bosan nowo ni si babai matukan no abin wogo gada. Haifa ma hakwai dunbo, ni ga bai kan arsilam taraira, haubor gayan zunubu beri no, soko bun boda ba ni ga haya bai. Ni di moni moni si ba san no ban ai bai. Ayya bin da haikan ai ma, manti ba san nono wadini. Ini kan duma izi doro no na di. Nadira, ma hagoydin bon wato kulnaygineni se ma fatta hayay ga kaga da sanni sanni foyen hangan hmm yadin nu amma da kimno don niga sanni fallan kaki yayi si hmm nadira da kimino ayo gane ni se kan an dunya wo sara ni mu wangi boro a wani harose ni di kan harino kan bore to ni di masabun da go goni se ama beri ga. barfo wani masin moka da kimino nadia wodi ma ga se ni gine ni wana mo beri ga. ya dinnu ni cim hmm, hmm. son dai ne ni bumbo ni goken sai ga binde hai fai chwaga mutuno nigi tegu wane mi laiga to ni di wala matikan ne ni mondo ma dan kyarra ya kinu no rahina bumbo da ai bai da dama sanno bina gasara ni hmm, nigi cim to bisa irin mirfan dadi amma ai gogin hanga kendi hino dindira hina masine nig tugutugu nig koyga diga sannai woki aman hay kulte irse yadino yadino ay fahama mm. icora to irmu koy lati lati lati lati Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. On poursuit avec euh, la culture linguistique qui nous sera présentée euh, cette fois-ci par Alamine Ouachar. Il est journaliste, euh, traducteur en langue tamashek. Bonjour Alamine. Bonjour c'est nous. Le mot du jour est blog. أولا تفر تستون بلوغ السنة تاسي موسرة وقلنيتي نويسا تغمى لأني إزابزا وين الزمان أمارا نتاقي ناس أنا ستغمى لي هوسيان يقول أنا مزي كول استاريتا نارتا وين تسجل مدير أول الناس مدي كتب الناس وين تاقين دغا زبزب وين الزمان استانو انترنت السنة تاس أرد يموسى مصنع تالن توزانا تديتي دنيات فلقنا وقرنا إزل ويتوكس يخلو ندق مديدق منهج وينستاون هو بلوغ دين يموس إيدق كفاني تيدن توراقت نسكني مصنتين نصن التزن مصنتين نصن استاريت تنكتب النسن داوال النسن رواد دارت وينتا سجلن أقالن باتو تيم مداغ إيسالان وينتا جينتا ولا فانتندغا المنهج النسن asantaasi mosdeqe narat ilan tanfa hullin filas starita an zabzaba nazama nazalada wedan kula digaro masnatase naha atatigru amarndeqen i mos sadad madannu awitedan taginen shagl i hosen tahatan fa yeitedan win sagadnen starita an zabzaba nazaman maran tagin tandaga tarren laneni nimad nasnet dagad yazdanannu تفر تنبروك دا إمو سويدن إشيش غلن مدي سيتغ ملن يزبزم وينا زمان أه، سنمود ودغي هاكو السلا مدي ودغي تاسجال أرتم وينتاك تاك أدا كنا أودا وندزاويا تفر تنبروك Merci à mine pour cet éclaircissement, chers auditeurs. Si vous aussi vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou message écrit au 82 89 89 64. C'est le moment pour nous d'écouter nos auditeurs qui nous envoient des messages vocaux. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Salam alaikum Studio Radio Kalangu. Ni ne Sani Shaibu nan ina sauraron ta daga karhe goma sha ɗaya na sahe zuwa karhe sha biyu da marice kuma na sauraron ta daga bakin karhe biyar na marice abin ya yamma e kuma ne abin ke burga ni cikin ma abin yake duk labaran da take na ƙasa ne kuma da harshen hausa wannan shine ma nake jin daɗi sai kuma wasu abubuwa da suke kawa su ce yanzu kamar nan da kwar sai su ce kamar radio murya bisa lamba kaza a gari kaza bisa lamba kaza wannan abu ina jin daɗin shi eh don haka ina fatan ubangiji allah ya kara musu ɗaukaka allah ba su ƙarfin gwiwa da duk waɗin nijar da ake sauraron su kowa ma a ce yana sauraron wannan radiyon saboda labari mai mahimmanci na ƙasa da karshe sai in gaida amannaina akwai mantau mai bidiyo da kenan nan tudun jimina akwai hashimu rumbu da ke garin tawaraya akwai talle mai kanana da maya da ke nan garin da kwaro akwai shaf jariri da ke nan garin da kwaro to salamu alaikum ni ne mai kanana da maya na bakin ofital ni shiri wanda kuke yi yana kayatar da ni sosai amma ban da lokacin sauraron ku na rana amma yana sauraron ku sau da kafa labarun ku na marici shiri wanda kuke birge ne babu kamar shiri wanda kuke ma uwayen ɗaya da ƙanƙanan yara da yake yanzu ka san lokacin damuna ne a rika ma uwayen ɗaya gargaɗi saboda yara ana barin su suna taya bakin tafki suna wanka suna ɗauko masassara irin wadda take damuwarsu na gode amma ina gaida rano na kwaran gwatsu abu buɗan kuma matsi gidan meli akwai baraka ta zangon kurau ni ne mala haruna ɗan tudu studio kalangu muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke tun sha ɗai da kuke fara na sahi har sha biyu muna sauraron ku akan lokaci ko da yaushe muna sauraron ku in kuma kare biyar ta yi muna sauraron ku ko da yaushe muna jin daɗin shirye-shirye na da kuke yi har ma dai labarun na da kuke yi na hausa kenan ma in son samu nama a ƙara labarun na hausa zan kika yi minti talatin dukkan abin da ake cikin ƙasa mu rika jin shi da kyau ina gaida daga dilla Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble avec vous. Nous allons écouter ce titre, euh, L'or noir, chanté par l'artiste Machiavel. C'est parti. Ceux qui sont en tête, c'est pas des gens honnêtes Regarde le prix du pétrole, nous guette. Voyons, mais où est passé l'argent de l'uranium Où est passé l'argent de Samira La bise qu'on guette, mangano, norodo. y pas part pas. Ça règle politesse, nous demandons plus de justice dans le partage de nos richesses. Il faut que cela cesse, ouais, c'est là n'est pas bassesse. Avec chaque jour on nous blesse. Pour mon or noir, plus de souplesse. Cet or noir vous amènera en enfer. À de les discours de fer. Mon peuple toujours militant, n'accepte pas ces prix exorbitants. Occupons leurs rues, inondons leurs yeux, cela ils vont comprendre. C'est quoi entreprendre C'est pouvoir des vêtements qui ne pensent qu'à leur crew. C'est pouvoir au gars flous, agir comme un lion mou. C'est pouvoir des hommes corrompus avec des idées corrompues. des d'ivrognes à la conquête des charognes. Cet or noir coule à flot et nous on gomme un jour, mon président. Où est passé ton serment mon ministre, où est passé ton registre Savez-vous que la famille nous guette, la misère frappe Savez-vous que le peuple est en train de crever Savez-vous que le coût du pétrole est élevé Celles qui sont en tête, c'est pas des gens honnêtes Regarde le prix du pétrole nous guette mais où est passé l'argent de l'uranium Où est passé l'argent de Samira La bise de Gorgé, Mangano, Norodo Aïka Sasuna Kuti, de Occupons leur rue contre la mauvaise foi de nos dirigeants qui nous poussent toujours dans le mépris et le désespoir. Je honte pour eux, enseignants, commerçants, artistes, étudiants, et sportifs chômeurs, occupant les rues pour un mouvement plus citoyen. La vie coûte cher. Ma société civile, où a-t-il passé Je sais quoi t'as payé pour faire la sale besogne. Ton combat est devenu indigne. Toi qui deviens la courroie de tous nos malheurs. Les acteurs sont devenus des chiens chasse, oui, chiens de chasse. Avez-vous oublié que ces pétroles sortent de notre sous-sol MC les dirigeants. c'était là le titre. Euh, Noir chanté par l'artiste Machiavel. C'est sur cette belle sonorité musicale que nous allons prendre congé de vous. C'était un moment agréable euh, d'avoir été avec vous euh, dans cette émission, chers auditeurs. On se prendra la semaine prochaine. Plaise à Dieu. À la technique, nous avons Senisaka et Moussa À l'édition, excellente journée à vous et bon début de week-end à tous. Bye bye.